pour la prospérité de la culture nigérienne. Le studio Kalangu de la Fondation Yorondel présente l'artiste s'exprime. et... Vous rappelez certainement de l'artiste gentil. Il était sur l'émission Franco Aoussa hier avec la Miss Rim. Nous avions parlé de son parcours, le parcours en question du combattant. Nous savons bel et bien qu'il a commencé la chose en 2012, comme il a mentionné cela sur cette émission. Nous savons aussi qu'à l'état civil, on l'appelle Bachir Gentil. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler de ses projets, eh, de ce qu'il a déjà proposé, de sa musique, de ses vidéos disponibles, de son album. Bachir Gentil, la machine, te souhaite la bienvenue. Comment tu vas Je vais bien, bro. Dis-moi que tu pètes la forme. Tu ah dis ouais, la forme Non, carrément, carrément. Eh ben, tu, n'es pas encore en forme. Ah ben ouais. Bon, si, je savais danser, en fait, j'allais le faire. Mais je, suis carrément en forme et surtout, tu vois, l'ambiance ici, ça donne même envie de Super Alors, on va parler de l'ambiance, de comment est-ce que toi, tu émerveilles la jeunesse nigérienne. On va parler de tes œuvres, on va parler de ta musique, on va parler... On a déjà parlé du slam. Le slam, c'est ton genre musical. C'est quoi le slam pour toi Alors, le slam pour moi, c'est de la poésie libre. La poésie libre Évidemment, c'est Écrire un texte, le, Écrire un texte, déclamer, évidemment. C'est quoi déclamer un texte sur scène Déclamer un texte sur scène, c'est claquer, comme claquer. le mot. Claquer, ça veut dire euh, balancer, balancer au la public. Il y a carrément balancer au public. Vous avez certainement compris ici, il y a des. C'est vrai que dans le monde donc, des juristes, il y a des termes juridiques. Dans le monde du sport, il y a des termes sportifs. Évidemment. Dans la musique, il y a des termes aussi musicaux. Alors aujourd'hui, nous sommes en train donc, de décortiquer quelques termes partant déjà de cela. Alors dis-moi, tu as déjà un album disponible, tu as déjà des vidéos disponibles. Est-ce que tu as des sons disponibles Parle-moi un peu de ce que tu as déjà vendu, de ce qui est déjà disponible sur les réseaux sociaux, comme tu as dit. Ok, d'accord, en conclusion, il faut qu'on on doit vous soutenir euh, euh, en ayant, bien évidemment, en partant, en cliquant sur les liens et tout ce qui va avec. Parle-moi un peu de ce que tu as. Alors, euh, il y a énormément de choses qui sont disponibles. Ok. Il y a actuellement sur ma page 4 à 5 titres 4 à 5 titres sur ta page disponible. Quelle page YouTube, Facebook, WhatsApp YouTube, bien sûr. YouTube. Et le, nom du compte, c'est Bachir Gentil. Comment on l'entend Ouais, Tout simplement. Très simple. B-A-C-H-I-R-G. C'est ça, non e n t i l e Comment on l'entend Bachir Gentil Évidemment. Quand vous l'entendez Bachir Gentil, sa page YouTube, <laughs> allez-y, cliquez, likez sa page, abonnez-vous à sa page. Ouais. 4 vidéos sont disponibles. Oui, évidemment. Vidéo ou audio Il y a trois vidéos. Trois vidéos. audio, Trois vidéos de audio qui sont déjà disponibles. La première vidéo de la Bachir Gentil. La première vidéo de Bachir Gentil, c'est SOS. SOS, c'est quoi SOS SOS, c'était quand euh, l'avènement de, la pandémie coronavirus. Bien sûr, on en a bah, parlé sur cette émission. évidemment, donc nous nous sommes dit, bah, pourquoi ne pas faire un truc qui, qui, va au moins se mettre en miroir la population nigérienne à travers ces virus qui fait rabat. Je vais te dire une chose. Ah, je vais aller avec euh, l'ancienne. Euh, je vais aller avec, euh, si tu veux, je ne dirais pas intro, mais générique. Donc, l'ancien générique de cette émission. Ouais. Ça donne un truc comme ça. Moi, juste après le générique, toi, tu vas continuer. SOS, les flots, on doit aussi sensibiliser un peu sur cette émission si ça te dit. Bah, ouais, je suis là. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes. Une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi nécessaire que dangereux, la COVID-19. L'artiste Bachir Gentil s'exprime, SOS. Alors Brandy, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, je vais laisser l'écriture poétique de SOS pour improviser à cette occasion. Ok. Il est vrai que cette pandémie nous pend, amis. Ah, Il est vrai que cette pandémie nous prennent à l'échelon. Tout à fait. Il est vrai que cette pandémie met de la zizanie dans nos vies. Exactement. On ne peut pas vivre loin de la paix, non. On ne peut pas ne pas se sentir erré chez nous, non. On ne peut pas ne pas savourer, mais souvent, on se dit que juste de l'autre côté, dans les airs, il y a une maladie qui prend, qui emporte des vies. Tout à fait. Bachir Gentil, à partir donc de cet instant, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de ta deuxième vidéo. Une vidéo déjà disponible en principe sur ta page YouTube. Évidemment. Après SOS, qu'est-ce que tu nous as livré Après SOS, j'ai livré ma star de Novelas. Ta star de Novelas Ah, mais ouais, carrément. C'est quoi ta star de Novelas C'est ta go Alors, c'est c'est une go fictive. que tu as imaginé dans ta tête. Ah, ben, ah ben oui. Ah ben ou bien, bon, à part de toi, ça m'a ou bien une go qui t'a fait galérer dans la vraie vie. Euh, ouais, en tout cas, si au moins c'était ça, j'aurais la chance. Ouais. <laughs> mais elle, elle, était fictive. Elle était toujours dans ma tête, mais je ne l'ai jamais rencontrée. T'as Beyoncé dans tes rêves. Bah ouais, tu vois. Ok, super. Alors, ça parle de quoi le texte Le texte parle d'une fille mhm. d'une qualité hors norme. Hors norme. C'est quoi la qualité qu'elle a et Matos. Euh, bah, imagine déjà que ma star de novella, a un corps doux et fragile, laissant entendre le coup de son pouls rythmé. Elle a une taille fine, elle est agile, avec une poitrine lourdement chargée. Mais pour le percevoir, il faut la voir courir. Il fallait pas la voir. ce ah non, Moi, la fille de nous, la fille c'est quoi déjà le truc Master de Novelas. Master de Novelas, c'est une apuchou. Ah. Bon, ok, je préfère ne rien dire pour l'instant. ah ben, ben, ça, laisse à imaginer. Troisième vidéo disponible sur euh, ta page YouTube. Parlons de ça, Bachir Gentil. Alors, la troisième vidéo, c'est Terre perdue. Terre perdue. En featuring avec Mirador. La récente, c'est sorti Ouais. C'est la euh, toute dernière vidéo disponible Non, non, non, non. C'était l'avant-dernière. C'était l'avant-dernière. Évidemment. Ok, Terre perdue. Ouais. Parlons de Terre perdue. Terre perdue, c'est l'histoire d'un continent qui est en quête de sources, en quête des racines. L'Afrique. Et l'Afrique, évidemment. Et l'Afrique, du fric. Bah mais c'est une terre perdue. Il paraît. <laughs> On L'Afrique a de l'or. Ouais. L'Afrique a tout ce qu'il faut. Mais c'est une terre perdue. Mais c'est une terre perdue. Pourquoi une terre perdue Parce qu'en fait, pour moi, l'Afrique ne, ne, connaît juste pas là, en fait, ses sources, son identité. L'Afrique est en quête d'elle-même. Elle est en train de se chercher dans la sombritude de la nuit. Donc du coup, elle est perdue. Elle est perdue. Et, elle tâtonne. Elle, elle cherche à se redresser. Elle est perdue la terre. Carrément. Donc c'est ça en fait. Et nous, dans, cette, dans ces textes, nous avons essayé quand même de, de montrer à l'Afrique qui elle est. Donc l'Afrique, elle ne sait pas qui elle est. Elle-même elle, m'a ne Chercher. Donc vous, à travers déjà ces flots, les ah vous voulez montrer à l'Afrique qui elle est véritablement. Euh, Mais c'est ça là, mesdames et messieurs, à travers des mots, des rimes. Ah Super. Afrique, mhm. Parlons du refrain. L'Afrique, terre perdue. Alors, le refrain, ça a été chanté par Mirador Pansarki. D'accord. Un artiste. Alors, un petit couplet de toi. Ou bien tu peux aller avec euh, Mirador tu peux l'interpréter, bah tu chantes faux. Non, ouais, je chante faux, mais. Super. Alors, va me tuer s'il va te tuer, ah Alors, fais-moi ton passage dans Afrique un passage. Je viens de la terre des pères, la terre mère. Je suis le fruit de la toute première grande civilisation. Je viens de la terre des architectes, l'empire des pharaons et des pyramides coquettes. Je viens de la terre de l'eau, la mer des mers, terre des pêcheurs, dieu des vagues de là où on se baigne dans la mer pour se purifier l'esprit et rendre grâce aux ancêtres. Je viens de là où règne la culture vaudou, source du savoir de la science par la nature, là. Je viens de la terre mère, l'Afrique berceau de l'humanité. Il n'y a pas de souci. Alors c'était un peu ça, hein. donc euh, pour dire qu'à l'Afrique, tu sais, moi je viens, je suis fier de toi, je suis fier de toi, tu es la maman. Ça fait plaisir. Euh, la terre mère, comme on dit. Donc du coup, on va finir cette émission mm-hmm. avec ta toute dernière vidéo. Alors, ma toute dernière vidéo, c'est Donne-moi des ailes. Donne-moi des ailes. Ah qui, va, te donner des ailes La musique. La musique Évidemment. Tu as une une nana dans ta vie ah Oui, oui, comme, tout le monde d'ailleurs. Ah bien sûr. <laughs> elle ne te donne pas des ailes, elle euh, elle, elle me donne du réconfort. Du réconfort, mais la musique te donne des ailes. Ouais, la, <laughs> musique la musique donne La musique l'emporte. Évidemment. Hey, eh, ta meuf, elle est jalouse. <laughs> bon, pas jalouse, la musique quand même. Hey, eh, dis-moi, elle te donne des ailes. Par quel moyen elle peut te donner des ailes, la musique Alors, souvent moi quand je suis dans, des moments dans des moments douteux quand tu es dans des moments douteux ouais évidemment je prends mon calepin je prends mon stylo et je me mets à déverser cette rage qui s'est enfouie en moi ah, alors ça me permet de me libérer tu, tu, nous fais sortir des trucs dans tes entrailles évidemment parce qu'on dit que chaque artiste qui déclame un texte ou qui déclame un vers mhm. met un peu de soi hmm il y a toujours une part d'humanité dans les textes que nous écrivons. Hmm. Il y Irma Oden. <laughs> Tant maintenant, Bachir Gentil, nous sommes déjà à la fin de cette deuxième partie consacrée au slam. Bachir Gentil, je voudrais cette fois-ci un message à l'endroit de la jeunesse nigérienne cette jeunesse qui kiffe cette émission. Moi, je veux juste un message positif. Tout ce que tu peux dire en tant que jeune. Yeah. Bachir Gentil, nous t'écoutons. Les jeunes, Alors, kiffent. L'instant est solennel. J'ai coutume, l'habitude d'entendre certaines personnes dire que la jeunesse, c'est le futur. Je devrais dire ce soir à la jeunesse que vous êtes le présent. Ah mais aussi le futur. Ah, on est le présent et on sera le futur. Mhm. Alors n'attendons pas le futur, c'est maintenant. Il m'a un tout petit peu perturbé. La jeunesse, notre présent, notre futur. Attendre de ne pas attendre le futur, j'aime notre présent. Mais c'est ça aussi le poète. Il est métaphorique. Saïd Mustafa. ayuba neno machine inganda bashir jan tigena arama akulu pati aban